mooy réalité virtuelle lan mooy réalité augmentée ak image ak vidéo yi ak demee noonu mais dañoo defoon juste benn introduction pour que nit ñi xam lépp lu jëm ci wàllu boobu ku ci bëgg a dégluwaat euh, euh, introduction boobu mun nga delluwaat ci premier épisode saison bi comme ça di nga gën a a am ay leeral ay leeral alors ci épisode bi aussi euh, invité woon nañ si Ousmane moom te waxoon nañu ci benn ci li nga xamante ni moom mooy image 2D ak 3D lan mooy image mooy image 3D alors ci épisode boobu nag c'était amoon nañ ci ay retour franchement yu positif yu baax donc tey nag ci épisode 4 bi dañuy wéy ci thème bi ba léegi mais waxtaan ci li nga xamante ni mooy vidéo ci mbirum vidéo ak animation 3D ci euh, épisode bi nag euh, xam naa ne jeunes yu bëri dina leen intéressé parce que ñu bëri tey jii dañoo intéressé wu ci affaire montage vidéo yan la ñuy utiliser ak lan mooy vidéographie lan mooy animation 3D tey dinañ ci indi ay leeral ak suñu invité bi nga xamante ni moom mooy Aboubacar Ousmane lii euh, nga xamante ni xam-xamam dafa màcc ci lépp lu jëm ci wàllu vidéographie ak montage vidéo yi ak yu demee noonu et je pense que moom dinañ ci wax lu bëri incha allah abu Aboubacar ziar nañ la bu baax a baax dalal ak jàmm ci podcast Wolof Tech alors Aboubacar nag. Euh, c'est vrai que euh, Wolof Tech la ñu wax mais il va essayer de parler Wolof inchallah aujourd'hui n'est-ce pas euh, Aboubacar waaw waaw waaw <laughs> xam naa xam naa xam naa ni Wolof moom mooy loolu mais bon mais y a pas de souci on va y aller inchallah on va y aller <laughs> allez vas-y présente-toi kan mooy Aboubacar euh, dalal ak jàmm aussi ci podcast Wolof Tech oui pour l'invitation euh, mm. sant naa li mhm. li Ousmane Aboubacar nekkuma sénégalais à sama yaay mooy sama yaay moo mhm. waaw sama mhm. baay mooy mooy sénégalais bi mais sama yaay moom lay ji quoi waaw ok congolais dëkk ok macha allah waaw man doomu kii bi doomu Afrique la damay jàng damay jàng naa jàng naa Côte d'Ivoire jàng naa euh, Bénin jàng naa Afrique du na jàng naa Sénégal tamit. ok ok macha allah macha allah alors tey jii nii yaa ngi yëngatu ci wàllum euh, vidéo donc tu travailles dans le domaine de la vidéographie animation 3D tout ça et je pense que tu as beaucoup de projets yoo xamante def nga ko Sénégal alors dinañ ñëw léegi kon ci épisode bi waxtaan ak yow en détail ci affaire yi nga xamante ni moom nga jot a def euh, ñu waxtaan ñu aussi ci lan mooy vidéographie d'accord n'est-ce pas. Euh, kon ñu dem directement ci suñu épisode tey bi nga xamante ni moom lañ tuddee les coulisses de la création vidéo et de l'animation 3D mooy lan moo nekk ci suufu maanaam bu ñuy waaj a créer ay vidéo yeeg yu demee noonu ak li ñuy wax mu nga xamante ni moom la ñuy wax animation 3D ñu ànd ci ak Aboubacar Ousmane Ly alors euh, Ousmane avant sax euh, ñuy dugg ci sujet bi avant sax ñuy dugg ci sujet bi dañuy faral di def à chaque fois ci épisode bi mu ñu invité benn nit mu wax ñu moom mooy kan lan mooy jaar-jaaram c'est vrai que yow sa papa moo nekk sénégalais sa yaay nekk congolaise euh, mais donc tey ñun épisode tey bi dinañ jéem a def effort pour permettre la aussi nga wax français su fekkee ci nga gën a nekk à l'aise mais euh, jéemal aussi wolof bi soo ci wax wax wolof nga dugal mais soo amee kii rek amul problème mën nga dugg ci français bi d'accord <laughs> voilà ok allez allez-y euh, c'est qui kan euh, pouvez-vous nous nous parler un peu de vous votre parcours et comment vous êtes devenu un passionné de la création vidéo et de l'animation 3D waaw d'abord avant toute chose man mm-hmm. je suis électrotechnicien de formation ok waaw j'ai eu mon bac am naa bac S S2. Mhm. Mhm. waaw am bac S2 ba ba ba 2013. Mhm. waaw après jàng naa kii bi euh, IPG xam nga ISTI. ah xam naa ISTI si def naa ISTI def naa G15. ça c'est bien. waaw après def naa ñaari at si kii bi si Maroc. waaw pour jàll si cycle ingénieur bi. waaw maintenant loolu man électrotechnicien de base. ok Et ok voilà mais à mes heures perdues. Mm -hmm. euh, je faisais du rap. ah ouais je rappais waaw je rappais je rappais. Mm -hmm. euh, voilà maintenant comme tous les rappeurs là quand tu fais des quand tu fais des sons à un moment il va il te faut tu as envie mm -hmm. de mhm. faire des clips. exactement tu as envie de faire des clips waaw. Mhm. maintenant moi j'avais j'avais contacté un monsieur. et mhm. le monsieur. il m'avait demandé, il m'avait demandé de base, je pense, mm -hmm. si mhm. je me trompe pas, il m'avait demandé 100 000 francs. Ah ouais Oui, mm -hmm. et, et, ça c'était à l'époque. Et à l'époque, ouais. euh, mm -hmm. déjà pour enregistrer un son, on se cotisait entre amis. Ouais. Donc je, je ne concevais même pas chercher 100 000 francs pour faire un clip vidéo. Ça c'est sûr, ouais. Voilà, donc euh, j'avais un Blackberry, donc j'avais commencé à... J'avais fait un mhm. clip avec mon cousin. Ouais. J'avais monté le clip Mmh. On a monté le clip avec mon cousin et c'est de là que j'ai eu mhm. le déclic. Je suis, tombé amoureux de, je suis tombé amoureux de l'image. Mhm. Mhm. Bon, beaucoup de, personnes, aujourd'hui font euh, la vidéo juste pour faire de l'argent. Mais moi, de base, je suis un passionné. Quoi. ça c'est bien, ça c'est top. La ça c'est top. Donc du coup, euh, quand vous avez commencé à faire ces, euh, ces vidéos-là avec votre euh, cousin ou votre, ou frère je pense donc du coup c'est là où vous avez eu le déclic foofu nga amee déclic bi commencé nag am amuuru am mbëggeel am cofeel ci li nga xamante ni mooy vidéo exactement voilà donc du coup te boobu yaa ngi Sénégal wala yaa ngi woon Congo non j'étais au Sénégal j'étais au Sénégal tu au Sénégal je venais juste d'avoir mon bac ah ok mais je pense que je pense que comme tu faisais de la musique je pense que balay émission bi di jeex foog nga foog nga son yoo sa def quoi. <laughs> non j'ai euh. déposé le micro j'ai déposé le micro depuis. maintenant yaa ngi ci beneen partie bi quoi. <laughs> exactement exactement loolu la de. bah c'est cool c'est c'est en, en première année d'université j'avais rencontré un monsieur. Euh, ouais. Un, un collègue il s'appelait mm. il mm-hmm. s'appelle Bachir Bachir Ndiaye. Bachir ok. Donc c'est avec lui qu'on avait que j'avais commencé à mmh. commercial, commercialiser entre à vendre mes services. Hmm, on s'était rencontrés, okay. On a commencé à faire des clips à gauche droite, mhm. mhm. Mais on, prenait vraiment le plaisir. On mettait pas l'argent en avant. On, avait créé une, structure qui s'appelait FDTD, Fly to the Dream Fly to the Dream. Euh, ok. Pour Flight to the Dream. Donc, c'était ça qu'on. C'était ça okay. qu'on. Ok. Que vous aviez fait. C'était vraiment mais c'est cool c'est cool pense que loolu am na solo trop et euh, je pense que comme ni nga ko waxee euh, lépp dafa juddoo ci benn amour boo xamante ni amoon ngeen ko ci lépp lu jëm ci wàllu vidéo ak euh, image donc du coup bi loolu demee nag ci ngeen commencé nag di def seen ay propre mbir di def ay service di defaral ni ñi ay clip ak yu demee noonu mais comme ni nga ko waxee nekk jiitalu leen jiitalu leen woon xaalis mais li leen gënoon jiital mooy amour bu ngeen am ci affaire bi donc loolu c'est hyper important alors dañuy dugg nag léegi euh, euh, Ousmane ci sujet bi exactement c'est-à-dire mooy euh, tey jii nii naka nga ñu mën a définir lan mooy vidéographie ak lan mooy animation 3D ban définition nga ñu ci mën a jox. bon d'abord avant de rentrer dans la définition bon pour moi mhm. on peut pas ils sont la, la vidéo et l'animation 3D, c'est mmh. Tu peux peux pas prendre un et laisser l'autre. parce qu'il faut mhm. forcément, pour faire du numérique aujourd'hui, il faut forcément avoir des mhm. bases, il faut forcément avoir le minimum euh, en vidéo. Ça paraît bête, mais ce que beaucoup de gens ne savent pas ou ne prennent pas conscience, c'est quoi C'est que une vidéo, c'est quoi Une photo. C'est pour ça que j'ai dit que, bon, avant d'être vidéographe, il faut être photographe. Ok. Ok. Tu, vois, tu peux pas être, tu peux pas faire de la vidéo sans, sans savoir prendre de photos. Mm -hmm. okay. Voilà. Mm -hmm. Voilà. Je, je, je, taquine souvent un de mes amis, j'ai dit que bon, nous, les vidéographes, c'est quoi On est des photographes pressés. Mmh. <laughs> ouais, t'as raison. Voilà, mmh. le mm-hmm. photographe, il prend une photo et il montre la photo seulement. Mais nous, okay. on prend des, on prend mm -hmm. des, plusieurs milliers de photos qu'on condense en une seule vidéo et qu'on montre à tout le monde. Ouais, ça c'est sûr, ça c'est sûr. C'est ça. Donc ouais. euh, c'est voilà, l'art dans tout ça, c'est de montrer ce qu'il y a à travers euh, le mhm. portrait. Mm -hmm. On a on, mm -hmm. en termes techniques, on parle de portrait, tout ce qui tout ce qui est mm -hmm. tout ce qui est transmis à l'écran. Mhm. Composition, les compositions de scènes, c'est mhm. ça qui est le plus important. OK. Maintenant, OK, je vois. voilà. Donc la différence peut-être qu'on peut noter, c'est que c'est au niveau de la mhm. photographie. Mm -hmm. euh, voilà, dans la vidéo en tant que telle, entre guillemets, mhm. c'est de la photographie réelle. C'est un, être humain qui prend un appareil photo mhm. qui, prend une caméra plutôt et qui filme. Quelque chose de réel. Mais dans le numérique, C'est une personne qui, à travers un logiciel, prend un appareil dans le logiciel mmh. et mhm. qui filme des éléments qu'il a prédisposés qu'il a prédisposé dans le logiciel. Hmm, ok mhm. c'est-à-dire comme bu ñu ko bu ñu ko mënee résumer tey mooy que ne euh, vidéo ay image la ay image ay milliers milliers image la yoo xamante dañ ko jël euh, ba pare muy représenter benn vie réelle benn instant réel de la vie quoi avec ay nit ñoo xamante ni dañuy yëngatu. ay nit ñuy di dem ak dikk tandis que photo boo ko jëlee rek moom benn cliché la da nga koy jël benn moment rek lay capturer te moment boobu dafa statique cest à dafa taxaw benn place tu vois tandis nag moom day jël benn moment boo xamante ni moment bu continue la ci temps bi euh, boo xamante ni nit ñi dañuy bouger da ngay gis réellement li nga xamante ni mooy xew euh, ci euh, scène bi nga xamante ni moom lañ jël n'est-ce pas. exactement. exactement voilà alors alors même avant may dem ci euh, beneen question bi nga xamante ni bëggoon naa la ko posé sax ñuy dugg ci biir affaire yi c'est-à-dire yaa ngi wax sànq ne yow commencé yaa noonu yaa ngi joxe ay services ci vidéographie ak yu demee noonu mais j'espère que ba léegi yaa ngi am sa propre structure euh, qui donne des services euh, qui crée des clips et ce genre de choses là j'espère oui bien sûr bien sûr alors tey jii alors tey jii nii pour faire un peu d'histoire. Mm-hmm. quand on a créé la structure Flight to the Dream avec mon, avec mon collègue, mm -hmm. mon grand frère, je vais dire même mon grand frère, ouais, euh, cool. ça, ça a pris du temps. Et quand je suis allé au Maroc et quand je suis revenu, mm -hmm. j'ai créé une autre structure mm -hmm. en parallèle à ça qui s'appelle Directeur VFX. Okay. C'est la, c'est la structure qui a eu le plus entre guillemets de, de, de succès au niveau des artistes. Ok. Parce qu'on a voilà, on a eu à produire pas mal d'artistes. Mmh. a des clips pour pas mal d'artistes. Principalement mhm. celui avec lequel mhm. on a, vraiment commencé à avoir de l'exposition, c'est Akbess, le rappeur Akbess. Ah, Akbess, On a, beaucoup, travaillé avec lui. Et sans oublier que avec Flight to the Dream, on avait travaillé, plusieurs fois avec Deep. Avec donc on a, fait pas mal de, mhm. choses dans le, milieu du hip-hop. Okay. Parce que c'était le, c'était le milieu qui était le plus accessible pour nous, vu qu'on okay. Okay. ça c'est cool ça c'est je pense que euh, dinañ waxtaanaat sax euh, ci ci domaine boobu après euh, mooy collaboration yi ngeen jot a def ak les artistes au Sénégal et tout ça et parce que moi je suis intéressé dans ça parce que ci épisode bi ñuy def nii thème bi nii saison bi dinañ ci waxtaan affaire ci afro musique et je sais que j'aurais besoin même de contacter certains programmeurs de musique et tout ça pour essayer d'échanger avec eux et je pense que tu es dans le même domaine que ça alors Ousmane Euh, beneen question bi nga xamante ni bëggoon naa ko euh, xam aussi mooy euh, que ni lan mooy différence tey à ton niveau ci ni ñu daan créer ni ñu daan créer bu njëkk ni ñu defaree video yi bu njëkk ak léegi parce que léegi xam naa ne nouvelle technologie bi avancé na trop tu am na ay affaires yu bees tey jii nii lan mooy différence entre ni ñu daan defaree vidéo bu njëkk ni ñu koy defaree tey c'est quoi la différence entre euh, la production de vidéos traditionnelle qu'on faisait auparavant et aujourd'hui avec l'arrivée de la nouvelle technologie euh, Bon, il y a, a, y, a, y, a, parce que bon, aujourd'hui on est dans l'ère du numérique alors qu'avant c'était plus dans l'analogique. Mm-hmm. Euh, il y a certaines caméras, par comme les Harry, qui jusqu'aujourd'hui mm-hmm. utilisent des pellicules. Mm-hmm.

Ça capture les, tu captures l'image en négatif mm-hmm. et après tu, tu, tu, récupères le truc en numérique. Okay. Maintenant, pour, okay. euh, voilà. pour en revenir à ta question qui, qui, mm-hmm. qui, qui, allait sur la différence entre les deux, moi je préfère mm-hmm. euh, faire l'approche euh, mm-hmm. des limites. Ok. Voilà. Par exemple, pour la, pour la vidéo classique, la mm-hmm. limitation, la, la limite, pour mm-hmm. moi, c'est le physique. Pour filmer avec une caméra, Oui, le mhm. physique. Dans le mhm. physique ou la physique, si tu veux. Mhm. Euh, quand on filme avec une caméra, on est contraint à la physique des matériaux et à la physique de tout ce qui nous entoure. Ok. Donc, par exemple, si tu veux, film, si tu veux filmer, par exemple, euh, une balle de basket et tu la jettes, tu jettes la balle de basket, tu veux la filmer, la balle de basket, elle descend et elle rebondit. Mm -hmm. Tu peux pas créer, tu peux pas changer ce, cette réaction-là. Mm -hmm. okay. Maintenant, si on vient sur le point de vue numérique, Il euh, n'y a pas de limitation physique, mais il y a une mm. limitation au niveau de la puissance de la machine. Ok. okay. Voilà. sur une machine, quand tu crées un set, en, par exemple sur un, plan, sur d si tu crées un, environnement, mm-hmm. tu mets une batte et une balle de basket, mm-hmm. malgré qu'elle ressemble à une balle de basket, tu peux changer ses propriétés physiques. Ok. Voilà. Tu peux la dire, au lieu de descendre, de, de rebondir, mm-hmm. dès qu'on te laisse, tu t'envoles comme un ballon de, comme un ballon mhm. hydrogène. Donc pour okay. moi, c'est les, voilà, les deux limitations par rapport à ça. Okay. Par exemple, si on peut s'amuser à voir que, par exemple, sur les réseaux, il y a des vidéos, tu peux tomber sur une vidéo de, de mhm. quelqu'un mhm. euh, qui, grâce à une animation 3D, tu, vois une baleine qui s'envole dans les airs. On sait très bien que c'est pas, logique. Et c'est, l'ordinateur. il n'y a pas de limite de physique sur le numérique. Mmh. Mais sur la création de vidéos classiques, il la limite mhm. de physique. C'est-à-dire, c'est hyper important, intéressant li nga wax noon c'est-à-dire limitation euh, physique bi ak euh, puissance numérique bi c'est-à-dire quand on faisait des vidéos tra des vidéos traditionnellement comme li nga wax ci balo basket balu balu basket bi léegi soo sànnee benn balo basket balo basket bi euh, mënoo euh, mouvement bi muy def bu fekkee ne euh, traditionnellement day daanu wàccaat daanuwaat ainsi de suite alors que su fekkee ne tu es dans le numérique tu vois tu peux changer propriété yooyu mun nga sànni benn bal tu vois def ba mu xamante ni day am impression que ne balle bi dafa dem yoonam sans pourtant mu laal ci suuf tu vois wala ainsi comme ni nga ko waxee léegi def benn baleine buy naaw ñëpp xam nañ ne baleine buy naaw wala jën buy naaw mënul nekk mais. avec l'avancée euh, de la numérique mun nañ def yu demee noonu alors limite bi nga xamante ni nag moom la numérique boobu di am nag mooy puissance su maanaam doole yi machine yi nga xamante ni moom la ñuy utiliser pour mun a def effet yu bëri yooyu yëpp quoi donc je pense que ça c'est hyper intéressant mais en terme d'organisation en terme d'organisation bu xam nañ bu ne ah, pour nga defar vidéo tey am na lu bëri lu muy laaj n'est-ce pas alors tey jii nii en 2023 pour nga defar ay vidéo en terme d'organisation en terme d'équipe en terme de euh, je sais pas moi logistique et tout ça en terme de connaissance tu vois lan lay laaj ak lan moo amoon lu njëkk ak lan moo ci indi lu bees loo xamante ni moo tax léegi ñuy gën a gis affaire yu gën a extraordinaire. bon y a y a y heureusement hmm. euh, avant toute chose dans le domaine sur lequel on est en de parler il y a le point de vue. ok euh, je donne l'exemple de de d'un clip vidéo tu peux donner hmm. un son. Hmm. à trois réalisateurs Et mm -hmm. si tu les laisses leur libre cours, ils te sortent trois clips avec des ambiances différentes. Ok. okay. Voilà. Mm -hmm. Donc euh, c'est le c'est le but. C'est mm -hmm. pour ça que euh, mhm. le réalisateur il est toujours mis en avant, il est mhm. toujours exposé parce que mhm. c'est le réalisateur qui s'arrête, euh, fait face au projet et commence à réfléchir et établir euh, la, la composition de l'équipe technique idéale pour ce projet-là. C'est ça la fonction du réalisateur. Aujourd'hui, par exemple, dans mon pays, le Sénégal, tu vas, tu vas voir mm. beaucoup. Mmh. Ils se lèvent, des caméras et ils se disent je suis réalisateur, je suis réalisateur. Mais ils n'ont pas trop compris mm-hmm. Ce qu'ils savent pas, c'est que dans, la plupart des productions, le réalisateur, il n'est même pas en rapport directement avec la caméra. Il ne touche okay. limite pas de caméra. Le réalisateur, c'est quelqu'un qui mm-hmm. Mm-hmm. Euh, crée la composition et mmh. les conditions idéales pour que le mhm. projet soit réalisé avec sa vision à lui. Mmh. Ok, je vois. Voilà. Je vois. Maintenant, en, en, dehors de. Dans, dans, dans, dans cette composition qu'il peut, qu'il peut, qu'il crée, mmh. il peut prendre. Hein, il, y a, il y a des cadreurs, il y a des preneurs de son, mhm. il y a des monteurs, il y a les sound designers, il y a des mhm. personnes qui sont responsables des, des effets spéciaux, euh, qu'on peut appeler soit les, les FX, quand mm -hmm. c'est mhm. des effets réels, des mhm. explosions mm -hmm. comme ça sur le tournage, ou des mhm. VFX, quand c'est purement numérique. Euh, donc il y a tout cette combi, il y a toute cette combinaison là que le réalisateur se doit d'assurer. Ok. Et sans okay. oublier oui, et sans oublier dans, les, dans le cas dans le cas de figure des films, euh, c'est le c'est les acteurs aussi. C'est lui qui okay. choisit l'acteur, que tel acteur doit jouer dans tel rôle, tel acteur doit jouer tel rôle, tel. Donc c'est très important, c'est très important que les gens comprennent que la, fonction de réalisateur, c'est une fonction mhm. très lourde. Parce que si le projet est critiqué mhm. sur, le, public, si c'est mhm. critiqué, ça retombe sur le réalisateur. ok. Donc du coup, il y a le réalisateur qui choisit maintenant les équipes technique qui vont se charger eux-mêmes de réaliser, de faire le projet techniquement, waa euh, concrètement. Donc du coup tey jii nii euh, comme ni nga ko waxee léegi donc euh, loolu lépp bu ñu koy def maanaam vidéo yu projet vidéo yi dafa am réalisateur ki nga xamante ni moom mooy am vision bi moom moo am gis-gis bi ci naka la vidéo bi wala clip bi war a demee donc kooku nag moom mooy composer moom mooy teg composition maanaam profil yi nga xamante ni ñoom ñoo war a bokk ci loolu nga xamante ni moom la bëgg def moom gis-gisam bopp mu bëgg jëmmal moom mooy xool ñan ñoo war a composé yan spécialité ñoo war a composé équipe bi bu ñu mun a doxal programme boobu mais ci biir équipe boobu aussi wax nga ci ay preneur de son wax nga ci ay euh, ñiy def FX maanaam ñiy def effets spéciaux yi maanaam monteurs yi ak euh, ñiy def euh, son yee yëpp donc am na équipe boo xamante ni ñoom ñoo war a nekk ci ci ci ci affaire yooyu noonu pour mun a defar projet bi pour que mu mun a mu mun a jaar yoon alors beneen question bi nga xamante ni euh, bëgg naa ko xam tey mooy bu ñu weesoo organisation bi maanaam ñan ñoo ci war a nekk ci waa wax nga ko léegi ñan aussi lan lan lañ war a mën a utiliser en tant que euh, en tant que matériel tey ci nii pour defar vidéo yi tey en 2023 yan matériel tey par exemple man damay wax comme koo xamante ni man xaw ma dara ci biir réew tu vois du ma monteur mais je un jeune boo xamante ni je suis intéressé par ça bëgg naa ko def tey bëgg naa xam tey lan lay laaj tey tey su ma bëggoon vidéo lan lay laaj yan matériel la ñuy war a utiliser yan logiciel la ñuy utiliser la ñuy gën a utiliser en 2023 pour defar ay vidéo ak de demee noonu. ok bon hmm. c'est c'est euh, question bi mooy kii de. Mhm. c'est pas c'est pas évident. c'est mhm. c'est vraiment c'est pas évident. parce qu'il n'y a mhm. pas. et heureusement pour nous il n'y a pas de réponse exacte à cette question. euh, si on va par exemple sur le plan de vue, sur le, sur le point des, des logiciels, mmh. Et voilà. Donc, euh, on peut citer une multitude, mais moi, ce que je sais, c'est qu'il y a quatre principaux, mm -hmm. il y a quatre principaux logiciels mm -hmm. euh, si qu'il faut au moins maîtriser un parmi eux. Ok. Euh, on peut citer le, le Premiere Pro d'Adobe. Ok. Euh, le Final Cut de, de, qui est fourni est par les gars de Apple. Ok. Et il y a les gars de Il y a aussi Sony Vegas, qui est, mm -hmm. qui est le, le, logiciel principal de montage de, mm -hmm. de la compagnie Sony. Okay. Et le plus utilisé pour les films, euh, mm -hmm. qui est moins connu de, de, des amateurs, qui s'appelle Avid. Avid, ok. Ça s'appelle Avid. Ok. Bon, il y a, il faut au moins, de ce que je sais, c'est que si tu veux travailler dans des, dans le site, si tu, mhm. tu as quelqu'un qui veut te lancer dans ce domaine, mhm. il faut que tu accroches au moins l'un d'entre eux. Ou okay. si je peux en si je peux encore fermer le truc, il mm -hmm. faut mhm. que tu accroches au soit Premiere Pro ou Final Cut. Au moins un des okay. deux. Ok. Ok. Maintenant, voilà. Maintenant, si tu maîtrises, si, bon, ça, ça va être assez compliqué de maîtriser, de tous, de tous les maîtriser parce que tu dois développer des, des, des automatismes, mm -hmm. des réflexes. Voilà. Mm -hmm. Donc, chaque logiciel a sa disposition, chaque logiciel a ses, pré ses presets. Mhm. Donc, c'est pas évident de, de jumeler plusieurs logiciels. ok ok mais aujourd'hui aujourd'hui par exemple man si je suis une personne boo xamante ni j'ai envie de faire des des des des des des lives des vidéos sur YouTube tu vois euh, comme dans mon podcast là j'ai des fois je me dis que moi il fallait il faut que je je fasse des vidéos podcast vidéo et tout ça tu vois c'est toujours des vidéos hein, ou bien des jeunes qui veulent faire des de petites vidéos tu vois alors qu'est-ce que qu'est-ce qu'ils doivent au minimum avoir comme euh, comme matériel tu vois kees lan lañ mën a am comme matériel pour mën a def yu demee noonu quoi ak lan nga leen di conseiller yow. bon moi ce que ce que ce que j'aurais conseillé bon d'abord c'est en fonction de la machine que tu prends. Mm-hmm. euh, oui. si tu vas sur un Windows moi je te mm-hmm. conseille mm-hmm. les yeux fermés d'aller sur Adobe Premiere. ok Adobe oui parce que Adobe Premiere il est il est plus je vais pas dire il est adapté mais il est plus facilement mm-hmm. utilisable. ok c'est le logiciel le plus performant qui est sur Windows. Mmh. Voilà, parce que le Final Cut, il n'est pas sur Windows. Ok. Sur Windows, on est, réduit à trois logiciels principaux Premiere Pro, Avid mhm. et Sony Vegas. Et Sony Vegas, ok. moi, j'aurais vraiment conseillé aux gens de maîtriser le Adobe Premiere. Parce que l'Adobe okay. Premiere, tu peux mhm. l'avoir sur Windows comme tu peux l'avoir sur Mac. Ok. Okay. Voilà. en fonction des machines, là, mhm. ça dépend plus de ce qui est dans ta poche. Mais heureusement, avec, heureusement

Mhm. mais mais mais mais mais je te même pas je te pas mais bëggoon naa xam euh, tey dans la création euh, vidéographique et tout cela quel est le rôle des cartes graphiques. la carte graphique la carte graphique c'est je sais pas comment je sais pas comment t'expliquer. Euh, mhm. mais en fait parce que j'entends souvent les gens dire que ce que sa carte graphique baax na il faut que am carte graphique bu baax du coup à la hmm. fin je me dis que mais donc carte graphique am na ci rôle bu am solo Bien sûr, bien sûr, surtout dans la vidéo, parce que la carte graphique, c'est le cœur, mhm. euh, c'est le, le cœur de la lecture, c'est le cœur de, de l'encodage. Okay. Quand, euh, quand, tu finis ta vidéo et que mhm. tu veux exporter ta vidéo du logiciel mhm. vers ton ordi et pour pouvoir, par exemple, le mettre sur YouTube ou l'envoyer, l'encodage, ça se fait sur une carte graphique. Ok. okay. Voilà. Donc, plus le temps de, de, sera faible. Mmh, okay. En dehors de ça aussi, il a, a, la, il y a, il le, on mm-hmm. a le visionnage des vidéos en plein montage. Parce que nous, actuellement, on est, dans, une ère de 4K. Mmh. Ouais, c'est si. Voilà. 4 Tu, peux, facilement tomber sur un client qui t'impose un rendu en 4K. Mm-hmm. Mm-hmm. Et certaines machines, bon, dès que tu t'amuses à mettre une, deux vidéos en 4K sur la timeline, sur la timeline, c'est mmh. l'endroit où tu découpes les vidéos pour faire ton montage. Mmh. Dès que tu places une, deux vidéos en 4K et l'ordi il devient fou, l'ordi commence à bugger. Généralement, ouais, c'est voilà, la carte graphique qui suit pas. Okay, ok, je vois, je vois. Non, mais c'est hyper intéressant, euh, c'est hyper intéressant. Et je sais que ce sont des sujets, et euh, on pourrait rester toute la nuit pour parler de ça. Mais on va passer sur une question, c'est-à-dire, euh, en fait, maintenant, on a parlé de, en termes de matériel, d'organisation et tout ça, mais en termes d'études et en termes de compétences, s'il y a un jeune, par exemple, am na benn xale boo xamante ni tey benn jeune boo xamante ni bëgg na lancer wu ci vidéographie c'est vrai que mun nga nekk benn autodidacte c'est-à-dire tu apprends toi-même mais tey euh, lan ngay conseil aussi jeunes yi pour que yan étude lañ mën a def pour mun a agsi euh, ba maîtriser lépp ci vidéographie parce que aussi c'est hyper important à chaque fois de maîtriser au, plus profond, tu euh, le domaine pour faire des innovations pour pouvoir manier la chose d'une manière euh, voilà euh, très top quoi nga xamante ni mu def ay affaire yu extraordinaire parce que quand tu comprends pas euh, la chose d'une manière très profonde tu vois des fois tu pourras pas être trop innovant tu vois alors quelles sont les études tey yi nga xamante ni moom la jeunes yi war a def pour mun a arriver à avoir des compétences vraiment validées dans ce domaine il y a, y a, pour ceux qui se, pour ceux qui se, se ceux qui sont, ceux qui sont au Sénégal, précisément à Dakar, il mm -hmm. y a pas mal, il y a pas mal d'écoles. Mm -hmm. Tu peux aller faire, tu peux aller apprendre ça. Okay. Euh, l'école, okay. l'école qui me vient principalement en tête, c'est Supimax. Ouais, ok. C'est mm -hmm. la, la, partie, euh, la partie euh, design et la partie vidéographie de Subdeco, je pense. Ils ouais, font cool. que ça là-bas. tu peux faire ça, tu peux aller apprendre là-bas. Je pense que la, le, le, le, cycle complet, il est de 5 ans. Mmh. Mmh. Mais bon, après, tu peux aussi être comme moi et ne mmh. pas. Moi, parce que moi, je n'ai pas, pas appris ça. Ok. ok. Je n'ai pas appris ça. Je, je, passais des nuits à, mm. à couper mm. des, des, des, tutos. Mm-hmm. Je, je, suis là, je, je suis devant. Autodidacte, quoi. euh, je suis devant l'ordinateur, je suis en train de regarder mes tutos. Il ouais. y a ma mère qui vient et qui me dit Ouais. Euh, il faut aller dormir. J'ai dit d'accord, d'accord. <laughs> Elle part. Bah ouais. Elle revient encore. elle me dit toi, tu n'as pas dormi. Je regarde la fenêtre, je vois qu'il fait jour. <laughs> voilà. Bah ouais, je vois. et, du coup, ça c'est la passion. Hein. Franchement, c'est la passion qui fait ça. exactement. et c'est pour ça que je dis hmm. il faut être passionné. dans, ce hmm. domaine-là. Parce que hmm. si tu ne vois que de l'argent, euh, crois-moi, tu vas pas aller loin. Tu vas pas. Aller Mmh. Et, ça, et, quand tu es pas, et, quand tu es passionné, tu es curieux de savoir certaines choses, comment certaines choses fonctionnent. Mmh. Bon, le seul, le seul point négatif que moi j'ai eu à trouver par rapport à ça, c'est que mmh. euh, je ne vois plus certains films comme je les voyais avant. Ah, ok, je vois. C'est le seul point négatif que moi je trouve. Parce que quand je regarde un film ou quand je regarde une vidéo, Mmh. Euh, mon cerveau, il réfléchit involontairement de ma volonté, il réfléchit à comment est-ce qu'ils ont fait ça. Ah, ils ont fait ça euh, comme ça, comme ça. Euh, ok, ok, ok, je vois. Donc, euh, il, faut être, il faut être curieux. J'ai des, je, connais curieux, des, ouais. mmh. je mhm. connais des gens mmh. qui ont fait le cycle de 5 ans mhm. euh, dans des écoles et qui mhm. euh, m'appellent de temps en temps pour, parce qu'ils ont des problèmes, ils ont certains problèmes dont j'ai la solution. Ils m'appellent et me disent Ouais, j'arrive pas à faire ça, j'arrive pas à faire ça, comment je fais ça Mmh. Après, je, directement, mmh. on fait un Google Meet et puis je les explique directement et ils comprennent. Ils comprennent. Ok, ok. Ça, c'est, ça, c'est cool. Ça, c'est, ça, c'est cool. Ça, c'est, ça, ça, c'est cool. Alors, je pense qu'on va passer à une euh, question. C'est hyper intéressant aussi. C'est-à-dire, euh, euh, c'est-à-dire, au fait, tay, Gini, solo expliquer tay, sur un projet. cest à projet boo xamante ni dañ la woo pour nga créer benn clip vidéo pour benn artiste tu vois yan étape ngeen di jaar ba mu mun a du début à la fin ba mu jeex quoi maanaam contacter waa ji waxtaan ak moom réalisateur bi wax nu mu ko defee après ñan ñooy dugg en jeu caméraman yi nu ñuy defee lan mooy différent différentes yi nga xamante ni moom la ñuy jaar euh, voilà pour créer benn clip vidéo par exemple. ok bon. Très bonne question, je trouve très très très bonne question. Mmh. Euh, moi personnellement, pour mon pour mon cas, il y a plusieurs approches. J'ai plusieurs mmh. approches de, de, pour la création d'un club vidéo. Mmh. Euh, des fois, quand on m'envoie un son mhm. et que j'ai une idée et que je suis sûr que c'est la bonne idée, mhm. euh, je fais tout pour imposer mon idée. Ok. Voilà. Okay. Maintenant, dans certains cas où quand j'ai quand j'ai pas des doutes, mais quand j'ai des appréhensions par rapport à, à, au thème mmh. abordé, mmh. parce qu'il y, y, y a, des sujets délicats. Mmh. Il, y a des, il, y a des, ouais, il y a des artistes qui font des, des, sons qui entament des sujets un peu délicats. Mm-hmm. Euh, donc, j'approche euh, je, je, avec les pincettes. Donc, je reviens toujours vers l'artiste mm-hmm. pour le demander est-ce que mm-hmm. tu as déjà une vision pour le clip Ok. Okay. Voilà. Donc, en fonction de, en fonction de la réponse, il y en a qui me disent non, j'ai aucune idée, euh, propose-moi, Il na en a mhm. qui disent bon, j'étais, je vois ça, comme ça, comme ça, comme ça, Et mhm. en fonction de ça, je propose ou mhm. j'essaie de corriger pour aller sur un truc plus réalisable. Et il y a un point qui, y a plusieurs points qui revient souvent. Mm -hmm. soit tu sur un, un client qui n'est pas ambitieux ou un client qui n'a pas assez de budget. Mmh, ok. Donc voilà, quand par exemple, pour le clip, je vois, telle scène, telle scène, telle scène, telle mhm. te disent non, on ne peut pas faire ça. Pas parce qu'ils ne veulent pas, mmh. ils bien. mais il n'y a pas le budget, quoi. savent que si on va sur ce point-là, le budget, ça va être compliqué. Donc dans ce genre de cas-là, il y a, mhm. plusieurs, moyens de faire. je laisse tomber. Si je sais que ça va descendre mes standards, mm -hmm. je laisse tomber. Ou j'essaie de m'adapter mm -hmm. pour aller le plus, pour ne pas descendre de la pente. J'essaie de okay. m'adapter en fonction du budget. C'est mm -hmm. pour mhm. ça que les, les, les, deux questions que je pose le plus, c'est mhm. quel est ton budget et qu'est-ce que tu as comme vision et quelles sont tes, quelles sont tes attentes. Mhm. Donc au moins, avec ces deux réponses-là, tu es rapidement fixé sur le type de projet que, que, auquel mm -hmm. tu fais mhm. face. Ok, ok, ok. Et, et après ça, c'est quoi le next step bon, En fonction de ça, si on s'entend, si on s'entend sur le budget qu'il est prêt à, à déposer mm -hmm. et sur l'idée de base, mm -hmm. euh, maintenant on attaque, euh, mhm. on attaque tout ce qui est euh, décor et comme tout ce qui est tout ce qui tout ce qui tourne autour de la réalisation. Ok. S'il y a de la fiction oui, s'il y a de la figuration et commencer à, mmh. à, planer, à créer un planning mmh. pour s'entendre sur une date, et fixer des dates et mmh. des heures. Mhm. En fonction de ça, maintenant, on sort une fiche technique qu'on envoie à l'artiste ou à son équipe. Mhm. Maintenant, dès qu'on est fixé sur la fiche technique et tout le monde est d'accord, maintenant là, maintenant, on, on fixe. Mhm. Okay. On fixe et puis on entame le tournage. Ok. Et du coup, le tournage, avant même de faire le tournage, comme vous avez dit tout à l'heure, euh, Dangendi euh, former cette équipe avec les, euh, avec, euh, euh, les caméramans avec les trucs est-ce que y a aussi le choix sur les caméras à utiliser est-ce que da ngeen di am ay caméras spécifiques yu utiliser pour def benn clip bii nii benn clip bële wala est-ce que y a des choix techniquement euh, pour def benn clip euh, ci matériel yi. bien sûr qu'il y a il y a des choix parce que tout est tout est variable. Mm-hmm. si tu prends l'exemple des caméras qu'on appelle la marque Blackmagic. C'est mm -hmm. des caméras, mhm. de de, base pour le cinéma, mhm. mais qui, ont des, qui donnent une très belle qualité, mais qui sont imposants sur le design. C'est des grosses mhm. caméras. Ok. Ça pèse. Okay. Donc, quand si tu le mets sur un stabilisateur, c'est pas évident pour celui qui cadre. Alors que si tu utilises une Sony, tu as, mm -hmm. à peu près l'équivalent de la qualité, mais avec moins de poids et une forme plus réduite. Et en dehors, même des, des appareils, il y a aussi, il y a aussi les objectifs à choisir. Ok. ok. Les objectifs, c'est les sortes de, de mmh. comment dire ça, de faisceaux que tu vois, qui, qui a une vitre qu'on met souvent ouais. à, l'avant mmh. des caméras. Ok, voilà. ok, je vois, je vois. Mais ça, c'est hyper intéressant. Ça me donne envie d'aller faire de la vidéo. Hein. <laughs> <laughs> bah ouais c'est sûr parce que en fait alors la euh, si pour résumer gis naa ne wax nga ci affaire vision cest à gis-gis c'est-à-dire bu ñu waree def benn vidéo yu demee noonu il faut yow déjà mi nga xamante ni yaa bëgg def yaay def vidéo bi da ngay bëgg am benn gis-gis bi nga xamante ni moom la artiste bi am ci euh, li mu bëgg def da koy bëgg a xam da ngay bëgg xam aussi xaalis maanaam lan la yor lan la pare pour dugal ci pour réaliser vidéo bi ban budget la yor mais euh, comme ni nga ko waxee aussi di ngay xool aussi bu ñu la joxee yenn projet yi da ngay jéem a imposer yow tamit da ngay jéem a dëggal yow tamit ni nga ko gisee sa ni ko gisee tu vois ni nga gisee ni ni la war a demee c'est-à-dire euh, di nga demander aussi artist bi à ce que moom mu wax la lan la xalaat aussi ci vision et tout sa euh, lan la bëgg def ay domaine mais souvent problème bi am mooy problème mu ambition tu vois mais nag ambition boobu li koy freiné nag mooy ñàkk xaalis da ngay gis artiste boo xamante ni bugg na am ay ambition yu ngand sax mais du am xaalis boo xamante ni mën na ko permettre mu réaliser euh, vidéo de ses rêves nga xam ne moom la bëgg def tu vois alors alors alors euh, donc bu ngeen passé étape boobu nag di ngeen def planification bi cest di dire ngeen xam lépp nag ngeen ko war a defee sûrement xam décoration bi ngeen ko war a defee waxtaan ci def ci lépp envoyé fiche technique yi nga xamante ni moom moom la artiste bi di valider après nag ngeen door a commencer tournage ngeen choisir euh, caméra ak matériel yi nga xamante ni moom moo war a jëm ci euh, vidéo bi ngeen def c'est ça dépend euh, comme ni nga ko waxee rek ay variable la day en fonction rendu bi nga xamante ni bëgg nga ko am ci sa ci sa produit final et tout ça c'est hyper intéressant je pense et euh, c'est sûr que euh, tey ku bëggaat amaat yenn information yu gën a xóot des informations beaucoup plus profondes euh, ils peuvent te contacter c'est sûr tu vas et parce que tu vois tu es dans le domaine et tu es euh, vraiment un expert dans dans ça alors là ce que j'ai envie de de poser c'est juste c'est-à-dire, on va aller maintenant au-delà de, de, la création même, euh, mais tes relations avec les artistes au Sénégal, tu vois, et même à l'extérieur du Sénégal. Comment vous faites pour avoir ces collaborations-là C'est de bouche à oreille Voilà, vous avez votre propre structure. Alors, comment ça se passe vos collaborations avec les artistes au Sénégal et en dehors du pays Bon, je n'ai, bon, je, ça dépend, ça dépend. Il y a des, c'est comme des relations humaines, hein. C'est comme les relations mmh. humaines. Mmh. Il y en a d'autres que tu rencontres sur le tas, à des, à des événements ou dans, dans des endroits. Mmh. Il y en a d'autres qu'on t'envoie. Mm-hmm. Tu connais quelqu'un qui connaît quelqu'un qui te, qui te connaît.

le projet qui m'a le plus projet, ouais projet bi nga xamante ni da nga ko def ba pare mais tu es hyper content de toi quoi tu, tu sais que tu as très bien bossé le projet et ça te plaît et ça t'arrive même de voilà de play ça et de regarder ça à tout le temps quoi parce que ça... bon, le, le projet qui m'a le <laughs> plus le projet qui m'a le plus marqué mmh. c'est un clip euh, d'un artiste euh, sénégalo-français là mmh. qui s'appelle Afro Afro Afro oui mmh. big up à toi mon gars si t'écoutes euh... podcast. Ouais. Euh, ouais. Vraiment, euh, j'étais, mm-hmm. j'étais, allé en Guinée. pour faire un documentaire sur euh, un artiste guinéen. Mm-hmm. Euh, et il m'avait contacté de là-bas. Il m'avait envoyé deux sons. Ok. Donc j'ai réfléchi sur le tas et je lui ai fait des propositions depuis là mm-hmm. Et il a il n'a pas dit non, John, il a, il a validé direct. Mm -hmm. Et c'est la cartouche 3. La cartouche 3. C'est un son qui ne dure pas, mhm. mais. Ah, le son s'appelle cartouche 3. Afro S. C'est un, rappeur du collectif euh, 667. Mm donc il a, il validé, il a validé direct. Et dès que mhm. je suis revenu, le mhm. rapport humain s'est bien passé, on a bien échangé, c'est cool. Jusqu'aujourd'hui, Mmh. On s'entend hyper bien. Mmh. Euh, oui. On a réalisé le projet et jusqu'aujourd'hui, des fois, ça m'arrive, je vais sur YouTube, je regarde le truc et je suis content. Ouais, ça c'est cool, ça c'est cool. Je vois, ouais, je pense que je pense que j'ai même vu le son. Hein. Franchement, c'est ouais, je sais pas si c'est le même son. Mais mais mais à ah, cartouche 3, cartouche 6, ce sont des numéros quoi, ou bien Oui, il a il a sorti une série de freestyle avant un projet, il, il les a okay. appelés cartouches. Ok, ok. Je pense que j'ai vu le, son, quoi. je pense que c'est cool, Franchement, euh, tu fais un travail extraordinaire. Euh, yaa ngi def travail boo xam bu am solo la euh, mais nag bëggoon naa xam aussi c'est quoi les difficultés euh, de faire ce genre de métier là. les difficultés principalement je pense que il euh, y a trop de il y faux il y a trop de fausses personnes dans le milieu. premièrement, c'est ça. Mm -hmm. Et entre, entre réalisateurs, on n'est pas. Bon, pas pour moi, hein, moi je suis, je piste. Mm -hmm. Mais mm -hmm. chacun voit l'autre comme. On se regarde en chien de garde, quoi. Hmm, ouais, comme des de conquérants, quoi. Ok, si, si. Voilà. Par exemple, euh, il euh, n'y a pas longtemps, je pense que mhm. c'était en fin d'année, il y, avait un, y avait un événement, là, Oscar d'Afrique. Mhm. Euh, oui, j'étais allé avec mes, j'étais avec mes deux, avec mes deux gars. Mmh. Et sur place, je pense qu'on avait trouvé, il y en avait, il y avait trois, trois réals, je pense, trois réalisateurs. Mmh. Ouais, moi, bon. Mmh. Ils, étaient, ils étaient pas plus connus que moi, ils étaient pas, ils ont, ils font pas, ils font pas du meilleur boulot que moi. Mhm. Mais j'ai essayé de, d'approcher un, tu vois, juste pour, euh, juste pour, juste mhm. pour le fun, parce que entre professionnels, c'est, toujours bien qu'on se côtoie, tu vois. Ah oui, ah oui, ça c'est sûr, ça c'est sûr. Ch échanger et... d'idées sur les approches pour l'innovation et tout ça. Je pense que c'est ça qui mais... fait la force ça manque, des choses, quoi. Ça, mmh. ça, manque, ça manque, ça manque cruellement, ça manque cruellement. Mmh. Et comme je dis, euh, tu vois, par exemple, en France, euh, au Canada et euh, dans, dans, ou même au Nigeria, il y, a des, y, a des, y, a des, y a des réalisateurs qui font des feats entre eux. Mmh. Voilà, et tu tombes sur un projet, tu, tu kiffes le projet, tu te dis, non, tel réalisateur, il peut amener quelque chose de fou dessus. Mhm. C'est pas que tu montres une faiblesse, non. C'est mhm. juste que voilà, dans ta vision, mm -hmm. tu te dis que lui, en fonction de lui, ce qu'il fait, ça peut mhm. rajouter un plus. Mais oui, mais entre nous, tu vois, ici, on voit mhm. ça comme une sorte de faiblesse. Si j'appelle l'autre, mhm. non seulement je l'appelle il va vouloir, essayer, de, il l'artiste. Il va essayer d'avoir plus d'argent que moi même qu'il a appelé sur ouais. le Ouais. Après, c'est des, petits, voilà, c'est des petits trucs comme ça qui font qu'au final, tu restes dans ton coin. Quoi. Ouais, dis, ça, ouais, c'est ouais, sûr. Quoi. ça, c'est sûr. Parce ça, que nous, on est, des, on, est des, on, est des, on est des passionnés et on vit, mm-hmm. on vit de notre énergie mentale. Ouais, ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Un, ré, un réalisateur qui est triste, quand mm-hmm. tu mhm. regardes euh, un, un, clip qu'il a fait où il a eu la, la, la libertaire, tu sens. Mm-hmm. Ouais, ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Quand ça, il est sûr. content, quand il est dans le, le, le, tu sens aussi mhm. qu'il est. Mhm. C'est un peu tout ça, quoi. ouais, ouais. Mais sur le plan, euh, alors sur le plan, sur le plan technique, c'est-à-dire sur le plan technique, sur le plan euh, euh, connaissance, compétence et tout ça, c'est quoi les challenges C'est quoi les, euh, lan moo nekk jafe-jafe sur le plan technique wala sur le plan parce que da nga gis koo xamante ni il veut faire mais il n'a pas les le matériel qu'il faut wala koo xamante ni il veut faire mais il n'a pas les skills qu'il faut wala c'est quoi les problèmes que que na qu'un monteur ou bien qu'un vidéographe peut rencontrer euh, dans ces genres de de choses là. Bon, je prends par exemple je prends l'exemple simple bon, pour répondre mm -hmm. à ta question et qui est très pertinente d'ailleurs. Mm -hmm. euh, aujourd'hui on est je peux dire qu'on est dans une chasse Mhm. euh, une chasse à l'armement, entre sur le plan de vue mhm. technique, Chacun cherche à avoir la meilleure caméra, à avoir le meilleur ordi. Mhm. Tu comprends Donc maintenant, si aujourd'hui, par exemple, euh, un boy lambda qui a un ordi, il, a, il, à avoir son ordi qu'il a acheté. Il a acheté, par exemple, l'ordi, ça fait 5 ans qu'il a l'ordi. Il n'arrive pas à s'acheter un nouvel ordi. Il tombe sur un projet. Euh, quelqu'un l'appelle pour faire le montage.

Après, il y a, a d'autres personnes, il faut pas y a d'autres personnes qui mmh. n'ont pas le budget qu'ils vont, mais qui mmh. connaissent mhm. leurs limites mmh. et mhm. qui font du très bon boulot. Ok, ok. Qui font du très bon boulot. Mhm. Ils ont par exemple des ordi qui datent de 5 ans, ils ont toujours l'ordi avec eux, mais une, caméra qui donne des images qu'ils pourront éditer sans problème. Ok, je vois. Je vois. Ouais, évident tout le temps Les gens, voilà, les caméras sortent chaque année parce que c'est les commerçants mhm. Mhm. Mhm. Donc je, je, je, pourrais même dire que est-ce que euh, c'est toujours un problème de, euh, de matériel Il aussi ce problème de euh, de xam exactement li ngay def, tu vois C'est-à-dire, am na ñu bëri ñoo xamante ni dañuy am ay matériels yu last cri high tech, mais ils n'arrivent pas à faire des choses extraordinaires. d'accord am ñoo xamante ni ah oui je te jure am ñoo xamante ni ils ont le minimum mais ils arrivent à faire des choses extraordinaires tu donc du coup il faut tout le temps euh, je pense allier euh, balaa ngay dem par exemple dans le contexte africain surtout balaa ngay dem di uti sax ay matériels extraordinaire il faut nga am je pense que skills bi tu vois qu'il faut am xam-xam qu'il faut pour mun a aligner wu aussi ak matériel bi ngay am parce que ça sert rien tu n'es pas compétent tu dépenses tout ton argent sur du matériel boo xam ne tu ne peux pas l'utiliser à fond par exemple moi je vois des personnes qui prennent des iPhone 14 pour faire des vidéos alors qu'ils peuvent même pas euh, utiliser toutes les fonctionnalités qu'il faut quoi pour faire ces vidéos tu vois alors donc du coup moi je pense que il faut toujours euh, évoluer avec ses, ses, ses, ses compétences tu vois tu évolues tu deviens beaucoup plus compétent, tu as des besoins beaucoup plus euh, élaborés et tu avances en termes de, tu augmentes en termes de, euh, de matériel et de tout ça. Parce que de nos jours, les jeunes, man, les mecs, euh, remarquez, moi, les jeunes, première année, Subimax, il va avoir le dernier cri de matériel, quoi. Tu vois, caméra high-tech, tu vois, machine high-tech, tu vois. Alors qu'il vient juste de commencer, quoi. Tu vois. c'est bien, si tu as les moyens de le faire, c'est bien, mais dans le contexte africain, je pense qu'il faut y aller mollo mollo, apprendre euh, petit à petit, évoluer petit à petit. Et je pense que c'est ça même qui va faire, euh, euh, je sais pas comment dire ça, mais le mois def après, les gens évoluer, tu vois. Voilà. Et je, sais pas, mm -hmm. je sais pas si, je sais pas si je, je, je peux me permettre de dire ça, ouais. mais il y a, il y a, il y a, il y a, il y a, comment dire ça, il y a, il y, a un, il y a un truc qui dit que derrière derrière toute difficulté, il y a une facilité. Mhm. Donc, mhm. quand j'ai commencé, j'avais un laptop, un mhm. laptop de bureau. Mais encore, c'était un, écran, c'était un ordinateur HP de bureau. Et je faisais des montages là-dessus. Bon, ouais. de ouf. Mais <laughs> le fait, de bosser avec cet ordi-là, le fait que ça bug, quelque part, ça parce que ça t'oblige à trouver des méthodes pour tout ça. Ouais. Mhm. comprends Quand, par mhm. exemple, euh, tu as, un ordi qui ne, dernier mhm. cri et que tu ne connais pas, tu vas, faire n'importe quoi, faire n'importe quoi, faire n'importe quoi, ça va pas bugger. tu te te rends pas forcément compte des bêtises que tu fais. Tu as un ordi qui est, qui est, qui est, qui est, qui est, qui est qui est, des, qui est ancien, entre guillemets, mm -hmm. que tu utilises. Et dès que ça commence à bugger, tu commences à transpirer. Tu te dis qu'est-ce que j'ai qu'est-ce que j'ai mal fait Pourquoi est-ce que ça bug ouais, Et tu réfléchis deux fois plus et ça te rend deux fois plus efficace. Le jour sûr. où tu le jour où tu vas te retrouver devant mm -hmm. euh, un ordinateur puissant, mm -hmm. euh, non seulement ton mhm. cerveau il va réfléchir rapidement, mhm. tu vas tu vas faire des tu vas faire des choses. Moi je te dis, mhm. j'ai été contacté, j'avais été contacté par mmh. un artiste mauritanien mmh. il devait coûte que coûte faire un truc avant de rentrer. Ok. Il nous avait dit que s'il si, si rentrait, il savait pas trop quand est-ce qu'il allait revenir. Mmh. Donc on a, on a fait le montage, le, on a tourné, on a tourné sur deux jours. Ok. Euh, toute la soirée, j'ai fait le montage. Mhm. Le lendemain, je l'ai appelé pour venir visionner. Il est venu, il a visionné. Wow. Il n'en mhm. revenait pas. Waouh, ça c'est un... revenait pas. Mhm. Voilà. Donc tout ça, c'est des aptitudes que tu obtiens mmh. en travaillant dans des conditions compliquées. si aujourd'hui, on te demande de faire une tâche dans mhm. une pièce, qui, fait chaud, mhm. dans une pièce chaude, tu fais la tâche, tu fais la tâche, Au bout d'un moment, tu vas plus faire attention à la chaleur. Mais le jour où on va te mettre dans une pièce climatisée, on va te demander de refaire la même tâche, tu seras tellement à l'aise. tu seras ah tellement à l'aise. Je te dis, je sais même pas, je sais pas depuis quand tu es, euh, euh, je sais que tu n'étais pas au Sénégal actuellement, il fait hyper chaud. Hein. Même moi qui te parle là, je suis dans des conditions hyper compliquées. ah ouais, non là, là, je, ah au Congo, là, il fait, hyper bon actuellement. Ah ouais, Non mais, t'as parfaitement raison, t'as parfaitement raison. Important de souffrir. Ouais, ça c'est ça c'est bien. Ça c'est Et je pense que ce, ce, ce, ce sont, sont, des choses que les jeunes doivent euh, comprendre euh, et doivent pas se précipiter. Tu vois, ils doivent y aller mollo mollo, acquérir beaucoup de compétences. Après, ce qui suivra va suivre, tu vois. Et euh, voilà, créer voilà des, des, des... avoir de l'expérience même c'est bien quoi dans la vie des fois quoi au lieu de se précipiter. Alors, beneen affaire bi nga xamante ni je pense que c'est la dernière question bi ñuy posé tey sax mooy c'est les nouvelles technologies. aujourd'hui on parle de l'intelligence artificielle ñu ngi wax affaire intelligence artificielle euh, technologie bi avancé na trop trop trop trop tey jii nii ci ban lan nga xalaat ne avancé technologie bi mun na ko jural seen métier bi. bon Yann j'ai j'ai j'ai j'ai lu pas mal euh, d'articles par rapport à ça par rapport aux aux, aux IA. Mmh. Et moi-même personnellement, hein, je, je je fais partie des personnes qui utilisent des, des IA surtout pour répondre aux mails Mmh. <laughs> Ou écrire ça ta mail, tu vois, chat GPT. Ouais, ouais. Mais pas encore ouais. pour écrire des scénarios, j'espère. euh, si, si, si, si. si, ah si, oui? si. Ah oui? oui, en fait, pas pour les scénarios. Mais ouais. par exemple, actuellement, on en, je, suis en, je, suis, je, suis, je suis en train de bosser sur, mmh. sur un film. Ouais. Euh, je suis en train de bosser sur un film. Euh, okay. La plupart des dialogues mmh. de ce film ont été générés par ChatGPT. Waouh! Wow. Voilà. Ça, c'est, ça, ça c'est hyper. Voilà. Maintenant, ce que les... il y en a qui disent que, ouais, euh, ChatGPT, c'est trop facile, c'est trop truc. Mm -hmm. Non, non. Il y en a aussi d'autres qui disent que, bon, les IA vont tuer les menteurs ou les IA vont tuer ceux qui tapent dans le design. Mm -hmm. Je mhm. dis encore non et non et mhm. non. Mm -hmm. Le problème, c'est quoi? C'est que la force de ces trucs-là, c'est quoi? C'est que ça, ça t'empêche, ça te permet de mhm. euh, déplacer ta réflexion. Ok, ok. Là où tu devrais t'entendre réfléchir, sur, par exemple, sur les palettes de couleurs que tu dois utiliser pour créer euh, mm -hmm. un work art, mm -hmm. tu vas pas réfléchir dessus. là où tu vas te concentrer sur, qu'est-ce qui compose, mhm. quels, sont les, éléments du décor que tu veux générer par l'IA. pour moi, là, c'est comme ça que je considère La réflexion, elle est déplacée. Mhm. Euh, par exemple sur chaque GPT, mhm. euh, si par exemple trois personnes tapent la même question, euh, il y a mhm. de fortes probabilités qu'ils aient la même réponse. Mhm. Si, si. Voilà, donc ça te pousse quelque part. Tu ne vas pas réfléchir sur les phrases, mhm. mais tu vas réfléchir sur, ce que tu veux. Donc, c'est une manière de dire que les plus, inspirés et les plus intelligents qui vont survivre par rapport à tout ce, qui, concerne les IA. Ok, ok, je vois. Si tu n'es pas réfléchi,

Ouais. Tous les nouveaux capteurs qui ont été, qui, qui, sont, qui sont embarqués dans les caméras depuis qui, embarquent aussi les, mhm. comment dire ça, des, des, des, des autofocus. Mmh. c'est, je sais pas comment dire, mhm. euh, c'est pour, quand par exemple on revient sur notre exemple du ballon de basket. Ouais. Voilà, l'autofocus, c'est quand tu prends ta caméra et que tu mets devant le ballon, de basket mhm. et Quand tu fais rouler le ballon de basket, L'autofocus, c'est le truc dans l'appareil qui permet que mhm. le ballon de basket soit tout le temps clair. Mmh. Okay. tu sais, le, des fois, il y a certaines images où tu as l'impression que le derrière est flou. Mhm. La, personne est, la personne est, est, c'est le truc qui permet de garder l'objet que tu veux identifier toujours, net. Okay. Maintenant, les IA, les, mhm. IA les avec les appareils dans mmh. cette mhm. optique-là. Aujourd'hui, on est arrivé à un point où il y a mhm. certains appareils qui arrivent à identifier des animaux. cool ça. Mmh. à identifier des oiseaux, ça arrive, ça arrive Donc c'est vraiment, vraiment important et ça nous mhm. prouve une fois de plus que ces trucs-là sont amenés à notre service, pas pour nous remplacer. si tu ne sais pas, t'en servir ou si tu n'arrives, si tu te laisses dépasser par ces trucs, mmh. euh, forcément, tu, tu vas perdre tes moyens et Ouais. Il faut apprendre à l'intégrer dans son travail, donc, du coup, quoi, franchement. Exactement. Exactement. Voilà, c'est c'est tout. Parce que ce sont des outils qui nous aident, qui nous facilitent les tâches. Euh, donc, si ça nous facilite maintenant les tâches, il faudra repenser qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qui est beaucoup plus utile à faire en tant qu'humain, quoi. Donc, je ne sais pas si tu regardes beaucoup de films. Des oui, que... je, euh, oui, des fois. Oui, des fois, je regarde des films, ouais. Je ne ouais. sais pas si tu, si tu es, si tu es un, euh, un, mhm. un, fan, un fan inconditionnel de Marvel comme moi. Marvel, oui, je regarde souvent les films de Marvel, mais pas trop. <laughs> D'accord. Ouais, ils, ont, ouais, ils, ont ouais. sorti une, ils ont sorti une série euh, cette année, il y a, je pense il y a quelques mois, il y a deux, trois mois, je pense. Ils ont sorti une série. La série, c'est Secret Invasion. C'est mmh, la oui. Mmh. Secret Invasion, oui. C'est une série qui résume l'histoire de Nick Fury. Mais le générique, le géné les deux génériques de la série ont été, ont été faits par une IA. Ah ouais Ils ont fait les génériques avec une IA. Waouh, ça c'est cool. Ça c'est cool. Exactement. Et ça Donc, montre l'avancée des nouvelles technologies dans ce domaine, quoi. Ouais. Exactement. Il faut savoir les utiliser, ne pas se laisser dépasser par ça. Ouais, ouais. Alors moi je pense que moi je pense que nous allons même euh, après euh, reprogrammer un autre épisode où l'on va parler des choses beaucoup plus euh, en profondeur sur euh, voilà les techniques qui sont utilisées avec euh, des euh, producteurs comme Marvel, tu vois, parce qu'il y a des effets spéciaux, il y a des, euh, je sais pas moi, des fois tu as l'impression que leurs films sont joués dans des dans des conditions réelles, mais c'est pas vrai des fois. Ils sont, ce sont des choses qui sont jouées dans des dans, dans de très grands salons, tu vois, où l'on expose avec des draps verts et tout ça. Et je pense que ça, euh, c'est aussi intéressant, New York Tanti, Afro des Menon, quoi, dans le futur après. Mais ça sera dans d'autres épisodes, Inch'Allah. quand tu veux c'est quand tu ouais. veux c'est quand tu veux. pas de souci alors quel est le conseil ban conseil ngay jox tey bépp jeune boo xamante ni am na envie dugg ci métier wu vidéographie. Euh, pour pour celui qui veut rentrer dedans. Mm -hmm. bon il y a il y a il y a beaucoup de il y a beaucoup de choses il y a beaucoup de mm -hmm. choses. Euh, je dirais la première chose c'est de toujours rester humble. Mm -hmm. toujours rester humble. Parce que de toute façon, si tu n'as pas, si tu n'as pas, si tu n'es pas humble, le savoir il rentre pas dans la tête. Mmh. Ouais. Il faut rester humble, il faut rester mmh. humble et savoir qu'on ne sait pas. Mmh. Voilà. Il y en a, il y en a beaucoup aujourd'hui. Il y a beaucoup de personnes qui sont venues en stage chez moi. Mm-hmm. Il y a beaucoup de personnes qui voulaient que je les forme. C'est pour ça même que j'ai arrêté de former en vrai. Ouais. Euh, ils viennent, mm-hmm. euh, mais ils te, ils, ils, ils pensent ils pensent déjà connaître. Ouais. Ils pensent déjà connaître et ils pensent savoir, ils pensent tout savoir. Mmh. Donc au final, et même quand tu les laisses avec une caméra, tu te rends compte qu'au fait, ils savent rien. Ouais, ouais, ça c'est sûr. Voilà, ça c'est le premier truc et mmh. rester calme et discret et discret. Mmh. Voilà. Il y a, par exemple, il y a un jeune, il y a un jeune que je suis sur sur Instagram. Il mm-hmm. s'appelle Ousmane aussi. Il s'appelle Ousmane aussi comme moi. Ouais. Euh, Voilà, je pense qu'il s'appelle euh, son nom de son nom d'artiste c'est Obiti. Il fait de la il fait de la 3D il fait de la 3D animation. Ouais, je connais très bien Obiti. Je connais très Exactement. bien. Ouais, Exactement. Ouais. Moi ce que ce que j'apprécie beaucoup chez lui, c'est quoi C'est qu'il est calme et il est discret. Ouais, ouais, ouais. C'est je me vois je me vois beaucoup en lui parce que je sais pas si, je sais pas si tu as remarqué comparé aux, aux autres réalisateurs, je trouve hein, mm -hmm. ouais. Moi je suis moi je suis moi je suis plutôt réservé, mm -hmm. je suis plutôt dans mon coin et je, Mhm. j'évite de m'afficher, j'évite de, de mhm. m'afficher au maximum. Parce que ouais. je me dis que faut que mon art parle plus que moi-même. Exactement, c'est ça, c'est vrai. Faut que, Exactement. voilà, faut que mon, faut que mon art arrive à séduire sans pourtant avoir montré mon visage. Ça, c'est vrai. Et je pense ouais. que ça, c'est un truc que Obiti, il, il mmh. représente il représente bien et que j'apprécie beaucoup chez lui et il fait du bon taf en passant. Non, non, non, il fait, il fait du bon taf et euh, Euh, j'ai même travaillé avec lui hein, sur, sur, des, euh, sur des productions de podcasts en vidéo avec une organisation internationale, mais c'est un gars qui est hyper sérieux et franchement, il fait du très bon boulot. Je le connais très bien et je le salue au passage aussi. Obiti, il travaille avec un de mes frères, Hello. Ils sont ensemble et franchement, ils sont, ils sont, ce sont des jeunes qui sont vraiment engagés dans ce qu'ils font et Franchement, chapeau à eux. Et ils seront dans le podcast prochainement, Inch'Allah. <laughs> ils seront là, ils vont nous parler de ce qu'ils font et voilà, et tout ça, quoi. Parce que, voilà, parce que cette saison-là, c'est une saison dédiée à tout ce qui est médias, vidéos, images, Après, on va maintenant basculer sur tout ce qui est euh, réalité virtuelle, réalité augmentée. Comment est-ce qu'on utilise ces choses-là dans la réalité augmentée, la réalité, euh, la réalité virtuelle et tout ça, quoi, dans les jeux vidéo et tout. Donc ça, c'est une voilà. suite logique. J'avais carrément oublié aussi parce que dans ma dans mes capacités, j'ai oublié aussi que j'étais game développeur. Ah ouais. Oui, je développe. Mais, mais, je mais, développe. mais donc c'est sûr que tu vas revenir dans l'épisode dans, dans, dans, cette saison là. Ah sûrement oui. En tout cas, tu façon, vas si revenir. Tu Y a pas ouais, de... tu vas revenir, Inch'Allah. Alors, Ousmane, c'est quoi, là, ce mot de la fin? C'est quoi le mot de la fin? Il faut éviter les tueurs de rêve. Waouh, c'est lourd. <laughs> pour moi, pour moi, c'est, ouais. pour moi, c'est, le cœur, c'est le cœur de, de ce qui, de ce qu'ils doivent mettre dans la tête. Mm -hmm. okay. Il y a plein de, il y a plein de personnes qui vont venir vous dire que, ouais, bon, ça, mm -hmm. pourquoi tu veux faire ça? Mm -hmm. Ça, c'est pas bon. Mm -hmm. Ouais, tout le monde fait ça. Mm -hmm. Tu vois, tout le monde bon. Mhm. Il y en a beaucoup, il y en a beaucoup. Par exemple, je te donne l'exemple du. Actuellement, moi et mon équipe, on est en train de taffer sur, on est en train de, de, de mhm. travailler sur un film. Mhm. Et il y a un grand qui nous a mis en rapport avec un monsieur pour euh, l'écriture, pour l'écriture du, du, du, script. Ok. Et le gars. Euh, je sais pas comment t'expliquer, mhm. il, mm -hmm. euh, il facile, à un moment, il m'a découragé limite, tu vois. Il a, il m'a ah dit ouais? des choses, mhm. oui, mm -hmm. il m'a dit des choses au fait que si je n'avais pas, si je n'avais pas la tête posée, mm -hmm. euh, j'aurais juste, oui, j'aurais mis, j'aurais mis une croix sur le projet et passé à autre chose. Ah ouais. Euh, il y a des gens, ils, ils font que ça, tu vois. Surtout, surtout les anciens. Surtout okay. les anciens. Ils vont, ils vont te dire que ouais, euh, ils vont toujours mystifier les choses. Mhm. Ils vont toujours mystifier les choses, tu Ils vont mmh. te mhm. dire ouais alors que notre génération, on est, les plus éveillés. Mhm. On est plus éveillés est tu vois aujourd'hui un enfant de deux ans qui te manipule un téléphone sans, problème. Il rentre sur YouTube, il fait ce qu'il a à faire, il sort. Tu un peu. Donc il faut, pas, oublier ce point-là, Ces gens-là, ils sont toujours, à l'ancienne, ils dans leur ouais. tête où, voilà, le montage d'un film, il faut, prendre, il faut prendre deux ans pour monter un film. Non, non, non. Mm-hmm. Voilà, donc c'est tout ça. Il faut, rester humble, mm-hmm. rester calme, discret. Voilà. Mm-hmm. Si ton art, n'arrive pas à attirer l'attention, euh, veut dire que tu le fais pas bien. Quoi. c'est sûr, Et ne pas éviter de copier. même si tu fais un caca, que ce mhm. soit un, que ce soit un caca qu'on arrive à qu'on arrive à t'identifier dedans. Ouais ouais. ouais <laughs> ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Même je vois, je de la merde, mais au moins qu'on qu arrive à identifier ta merde. Mmh, voilà. Mmh, c'est ouais. mieux de faire c'est mieux de faire une merde qu'on peut t'identifier mmh. que de copier comme, mhm. copier ce que tout le monde fait et qu'on n'arrive mhm, pas ouais. à t'identifier. Non non non, ça c'est pas bien, c'est pas bien. En tout cas, en tout cas, je pense que ce sont des paroles très fortes. Euh, je te remercie ma lay remercier bu baax a baax ci li nga accepté ñëw def émission bi voilà euh, et je pense que nit ñi ñuy déglu dinañ tirer lu bëri ci émission tey bi euh, di nga dellu si waat incha allah dellu si waat bu baax a baax ci émission bi mais nag Ousmane Ousmane wolof bi wolof bi moom beneen yoon bu ñu defaat épisode wolof ngay wax d'accord. <laughs> no en fait c'est pas ça c'est pas je je fais pas exprès je fais pas exprès comme je dis souvent je suis un enfant de l'Afrique. Ouais. J'ai pas eu la, j'ai pas eu la chance de grandir à, à Dakar. Ouais. Voilà. Donc j'ai pas, j'ai vraiment pas eu cette chance-là. Ouais. Euh, donc c'est un peu, c'est ça qui, c'est ça qui a mélangé un peu. J'ai grandi dans, mm -hmm. dans, beaucoup de pays. Mm -hmm. euh, tu vois, en dehors du français, tu vois, toutes les autres langues. Même moi, je suis bon, je suis un, je suis un alpolar, hein, mais le peul, je. Ah, ah tu parles pas. Je, okay, je, vois. je comprends pas. Tu vois un peu. <laughs> je vois très bien je vois fais pas exprès Non je sais, je sais, y a pas de souci. moo tax aussi ñun aussi en tant que ñoo xamante ni dañu ubbeeku tamit on a accepté de faire l'émission avec toi en français du coup pour que waaw je pense que public bi dinañ comprendre quoi après quoi. Donc j'ai essayé de traduire certains trucs euh, mais je pense que ils vont comprendre. Alors merci beaucoup Ousmane et euh, merci beaucoup à tous les auditeurs. Inch'Allah ñu ngi Merci beaucoup, Ousmane. Ciao. Merci à toi de Alors, avant de couper, Ousmane, euh, où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux pour te contacter, pour des services ou quelque chose comme ça euh, Principalement, bon, un, je sur les réseaux. Ouais, Instagram, Si vous, tapez Director, espace VFX. Director, VFX. VFX. Point e ETH. OK, ça marche. ETH en rapport avec les OK, OK. Ok. Donc tu m'envoies, tu toutes ces informations sur LinkedIn, sur euh, euh, Facebook et tout ça. Comme ça, je vais mettre dans la description du podcast. Euh, les gens qui seront intéressés vont te contacter. D'accord. C'est ah, merci. Beaucoup. à toi. aussi. Mm -hmm. Allez, Passe une très bonne fin de soirée. À toi de même. Allez, ciao, ciao.